Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du bloc d'information et voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Célébration de l'an 1 de la nomination du directeur du groupe de l'Université de Kies par les étudiants, des mesures de lutte contre la COVID-19 ont été prises en marge de cette fête. Visite de courtoisie du nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel à Monseigneur André Gay, évêque de Thiès. Et puis sur le plan agricole, une inquiétude s'installe auprès des producteurs qui n'ont pas encore vendu leurs graines d'arachide. Cause majeure, la cessation des activités des usines chinoises. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous au Niger, une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram a fait état de 27 morts dans la nuit du, dans la nuit du samedi 12 à dimanche 13. La page des sports, c'est le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite.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 et nous avons recensé 39 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 6 cas à Fatik, 3 à Richard Toll, 2 aux Almadies, à Kermassar, Liberté 6, Mbour, Wakam, Sacré-Cœur 3 et off 1 cas à Cambéré, Cité Fadia, Cité Kergorgi, Durbel, Fan Résidence, Grand Médine, Kaolach, Liberté 1, Mbaké, Mbao, Mermoz, Nord-Foire, west Parcelles Asseni, Pikine et Tamba. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 13 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Les différents acteurs de l'université Ibadir Cham de Thiès se sont retrouvés pour célébrer la première année de la nomination de Cher Sall à la tête du CRUS, une occasion saisie par le directeur euh, pour, sensibiliser davantage les étudiants sur cette pandémie qui continue sa progression dans notre pays. Suivons son discours. Cette journée-là, ce n'est pas seulement euh, euh, un anniversaire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette volonté de se lever comme un seul homme et de se dresser contre cette pandémie qui progresse de jour en jour. C'est pour cela l'aspect que vous voyez, l'aspect festif, euh, euh, euh, n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que vous voyez sur la table. Des masques, des milliers et des milliers de masques qui seront distribués, de l'alcool gel et la sensibilisation que nous allons faire pour lutter contre cette pandémie qui est en train de tuer à petit feu notre économie. C'est dans ce cadre-là que cette journée-là, quand on m'a demandé de célébrer cette journée-là, nous cette association entre l'inauguration de ce que vous voyez, de la salle d'attente du service médical qui entre en droite ligne dans cette, cette riposte, le, service, le centre commercial que vous voyez devant, derrière moi, associé à des ripostes, à une riposte ardu contre la Covid que nous avons accepté de euh, euh, célébrer cette journée-là. Euh, durant tout le reste de la journée, l'accent sera mis, le primat conféré aux stratégies qui seront élaborées pour vaincre cette pandémie-là. J'ai l'habitude de dire que si on me demande de l'alcool gel, s'il manque, si les masques manquent, si les prises en charge des médicaments manquent, ça c'est à mon niveau. Mais ça, euh, nous avons une équipe dynamique composée de médecins, de, euh, euh, professeurs d'université, qui composent l'équipe qui est chargée vraiment d'apporter le coup mortel à cette pandémie. nous avons vraiment même prévu des salles d'isolement au cas où un étudiant est atteint de Covid, au cas où le personnel est atteint de Covid. Euh, ce centre-là est quelque part dans la ville et que ce centre est bien équipé euh, en matériel pour faire face le nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a effectué une visite de courtoisie à Monseigneur André Gay, évêque de Thiès. Au cours de cette visite, il a sollicité des prières à l'endroit du président Macky Sall et de toute la nation sénégalaise. Pape Amadou Diaye est le nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation. Le président de la République, président Macky Sall, nous avait fait l'insigne honneur de nous mettre à la tête du FONGIP, c'est-à-dire président du conseil d'administration du FONGIP. Et nous étions encore venus pour lui solliciter ses prières afin qu'on puisse mener à bien cette très lourde tâche. Aujourd'hui, nous revenons tout d'abord et encore solliciter ses prières afin de remercier le président Macky Sall qui nous a fait l'insigne honneur de nous porter à la tête de cet illustre et stratégique ministère, ce département qui est le département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. En sachant que c'est un département extrêmement transversal qui a un impact important dans l'économie nationale. C'est pourquoi nous sommes encore revenus à vous pour solliciter les prières afin que nous puissions avoir la force, l'intelligence et la capacité de réaliser les objectifs fixés par son Excellence le Président Macky Sall. Monseigneur André Gay a pour sa part montré l'importance que le chef de l'État porte au secteur informel en ses propos suivants. La marche du pays, c'est d'abord bien sûr notre spécificité, la prière, la conscientisation, comme vous l'avez dit, l'information pour que la conscience communautaire s'édifie, la cohésion, la paix et l'harmonie. Mhm. Cela, vous pouvez compter sur nous et redites au président que nous sommes toujours là aussi pour apporter notre modeste contribution pour le réellement de pour la réalisation de ces objectifs pour notre pays. J'ai été très touché tout à l'heure par le deuxième complément de votre ministère, transformation du secteur, informel. Je crois que cela décline euh, toute la vocation que le chef de l'État a tracée pour vous. Comme vous l'avez dit, c'est un secteur, c'est un euh, ministère transversal, parce que l'informel touche Partout. partout. Voilà, partout. Et le défi est énorme, vous l'avez dit, et c'est pourquoi vous êtes déjà dans, <laughs> le social depuis longtemps. Euh, vous avez besoin, vous êtes compétent, vous, avez, vous en avez donné toutes les preuves, mais la compétence, comme vous l'avez dit, nous avons besoin de prière. Mhm. Parce que nous sommes des croyants. Dans nos écritures saintes, il y a un poème qui dit que si le Seigneur Dieu ne bâtit pas la maison, les maçons travaillent en vain. C'est pour dire que c'est Dieu qui bénit le travail. Alors, tout à l'heure, avant de partir, je vais prier avec euh, mes amis pour que le Seigneur, avec vous tous bien sûr, pour que vos prières et vos voeux soient exaucés et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans l'accomplissement de votre noble tâche. Pendant ce temps, les populations de Djogo, Daourfal, Daroukhodous et Mboro ont organisé une marche pacifique encadrée par les forces de l'ordre. Cette marche entre dans le cadre de la dénonciation du licenciement abusif de nombreux travailleurs de la GCO, Grande Côte Opération, le coordonnateur du collectif des licenciés de la GCO que nous écoutons. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une marche de protestation contre la décision illégale, injuste que GCO a prise pour licencier arbitrairement des travailleurs. Et par la suite, la même GCO a poussé la CIS à licencier également 33 travailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre une cause. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre leur liberté. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remettre ces travailleurs dans leurs droits. Nous sommes au nombre de 55. Mais les 55, c'est du côté de GCO et de CIS. Mais il y a d'autres sous-traitants également qui ont licencié donc le, compte total est de, 62 euh, personnes qui sont licenciées dans la même entreprise. Nous avons tenté à plusieurs reprises des médiations au niveau de l'inspection du travail. Et arrivé là-bas, la juridiction numéro 1 en matière de travail nous a donné raison sur toute la ligne. Et en disant à la GCO que ce qu'elle a fait, c'était illégal en commençant par un, confinement qui n'a pas été prévu par nos textes, qui n'a pas été prévu par nos institutions et pour ce même confinement, on n'a même pas demandé l'organisation de l'inspection du travail. L'inspecteur a été surpris d'entendre qu'au Sénégal, il y a des travaux qui sont confinés. Il y a des travaux qui étaient logés dans de mauvaises conditions. Il y a des travaux qui étaient logés sous les eaux. Et il y a des travailleurs, malgré tout cela, ils ont été licenciés. Et ces mêmes travailleurs ont accompagné l'entreprise en cette période de crise qui a affecté toutes les entreprises du monde jusqu'à dépasser ses, prévisions de 13%. Donc ça devait illégal de licencier des travailleurs. Depuis ce licenciement, l'association de ces victimes est drastique, est dramatique, est caouteuse. Ces, ces travailleurs sont enterrés vivants. Parce que pour un faire de famille, pour qui, même en percevant ses salaires, ne, ne parvenait pas à assurer la dépense quotidienne, si toutefois aujourd'hui on lui prive de son salaire pendant cinq mois, en cette période de conjoncture, en cette période de, crise sanitaire, une entreprise responsable, une entreprise soucieuse de ses travailleurs n'aurait pas eu cette pensée-là, n'aurait pas eu cette pensée radicale, cette pensée, cette agresseuse. Donc c'est une entreprise qui est devenue un danger pour la population. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, les producteurs d'arachides sont dans une inquiétude totale car ils n'ont toujours pas vendu leurs graines d'arachide et cela est dû à la cessation des activités des usines chinoises établies dans le bassin arachidier et de la présentation de la page nationale. Euh, commençons les actualités nationales avec le chef de l'État, Macky Sall, assiste à Abidjan en compagnie de plusieurs de ses collègues à la cérémonie de prestation de serment du président ivoirien Alassane Ouattara après sa victoire au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. La cérémonie de prestation de serment du président Ouattara s'est déroulée dans la sobriété en raison de la COVID-19. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été émaillée d'incidents avec de nombreuses victimes. Le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 euh, ans, a été réélu pour un troisième mandat avec un score de 94,27% des voix au premier tour. Dans le monde rural, une inquiétude généralisée s'installe auprès euh, des producteurs qui n'ont pas encore vendu leurs graines d'arachide. En cause, les différentes usines chinoises établies dans le bassin arachidier ont décidé de cesser leurs activités du fait des tracasses ce matin, la Fédération des paysans du bassin arachidier et une partie de la presse kaolakoise se sont rendus au niveau de ces usines basées à Sangil, Dingueray, Kermadjabel, Wakonguna, etc. pour constater le visu de la situation sur le terrain. Hélas, le constat a été amer pour ces producteurs car toutes les activités sont à l'arrêt. Elhaji Malik Baye, le représentant du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le développement série de saints, félicité des progrès réalisés et surtout de la notoriété et de la crédibilité engagée par le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Créé en 2016, ce prix qui récompense les acteurs de paix et de développement durable sur le continent noir a connu son deuxième lauréat en la personne de Mama Nina, la lauréate de 2019 ancienne première dame du Kenya. Euh, pour Maud Malik ce prix et ce qu'il représente constitue une chance et un motif euh, de fierté pour le Sénégal. Et sur l'international au Niger, au moins 27 personnes ont été assassinées dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram dans la région de Difa, Saturne John. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez parfaitement raison, Marie-Emily. Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi 12 à dimanche 13 décembre dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, selon un responsable local. Il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque qui est l'œuvre de Boko Haram, a affirmé un responsable du département de Bosso dont relève la commune de Toumor où s'est déroulée l'attaque. La Mauritanie renoue avec les cas du coronavirus ces derniers 48 heures. 15 morts et 279 nouvelles infections ont été enregistrées. Cela porte à 222 le nombre de décès depuis le début de la pandémie au mois de mars dernier, tandis que la barre de 11 000 personnes infectées a été franchie. Les autorités mauritaniennes ont donc annoncé ce dimanche le rétablissement d'un couvre-feu nocturne pour éviter la saturation des hôpitaux de ce pays. Pour Couvre au moins sanitaire limité. Ce couvre-feu sera imposé de 18h à 6h du matin. Terminons ce round-up d'actualité internationale en Iran où le journaliste Rudollah Zam, capturé l'année dernière par les gardiens de la révolution après des années d'exil en France, a été exécuté. Il avait été reconnu coupable d'avoir formaté des violences lors des manifestations antigouvernementales de 2017. Il a été exécuté samedi 12 décembre 2020, a indiqué la télévision d'État. le collectif des clubs de la commune de Thiès démarre aujourd'hui son tournoi de préparation. Six équipes participent à ce tournoi. Reportage Falunda. Djerejef Marème li euh, ni nga ko waxee lañ koy rek ak tournoi bi nga collectif club commune de Thiès yi organisé door nañu ko euh, tey jii ñoom nag ci seen tournoi bi ñaaru poul lañ ko def ci poul A bi Africa Promo Foot dina ci ànd ak Seneps Excellence ak ASC Walidane groupe B bi Amitié Football Club di ci ànd ak Thiès football club ak union sportive du rail ci programme nag euh, tey jii lañ ko door fii ci euh, terrain CNEPS ci waxtu bu njëkk bi Africa Promo Foot euh, Songo ak CNEPS Excellence ci ñaareelu waxtu bi Amitié football club di Songo ak Thiès football club ci programme nag ëllëg ak jàmm ci première heure bi Thiès football club dina Songo ak union sportive du rail ci ñaareelu waxtu bi CNEPS Excellence war ca Songo ak Walidane bu Thiès ñoom nag bu ñu defee seen championnat bi aller rek lay doon bu jeexee ñaar équipe yi nga xam ne ñoom ñoo raw ci seeni poule ñooy jouer final ba ñaari équipe yi jël deuxième di jouer match de euh, classement. gannaaw bi ñu leen waxee rek ne ci match amical Sonacos bu euh, Diourbel moom dafa daan Mbour Petite Côte ñaar bal ci benn ci jongante xaritoo la. championnat européen Ligue 1 France fukkeelu Ayubis, ak saint etienne ak Angers dañu tembo kenn dugalu dara ci morom Marseille dafa daan Monaco ñaar bal Montpellier dem fekki lance daan ko ñett bal ci la daan Bordeaux ñaar bal ci benn Lille moo nekk ci place bu njëkk ba Lyon ci dem fekki Paris Saint-Germain daan ko benn bal ci euh, dara euh, ba tax na Lyon moo nekk ci ñaareelu place bi Paris Saint-Germain nekk ci ñetteelu place bi. Série A ca Italie fukkeelu ayubés ak benn Inter de Milan dafa dem fekki yi daan ko ñett bal ci benn nekk ci ñaareelu place bi AC Milan nekk ci place bu njëkk bi gannaaw bi nga xamee ne dafa témboo moom ak Parme ñaari but la ku nekk. dugal ci sa kaw morom Naples nag fële ca stade Diego Armando Maradona dafa daan sam Sampdoria bu Gênes ñaar bal ci euh, benn ba tax na Naples moo nekk ci ñetteelu euh, place bi Juventus dem fekki Genoa daan ko ñett bal ci euh, benn atlanta daan Fiorentina ñett bal ci dara. fële ca Allemagne Bundesliga fukkeelu ayu bés ak euh, benn Leverkusen dafa duma duma yu métti Offenheim ñeent bal ci euh, benn nekk ci place bu njëkk ba Bayern de Munich nekk ci ñaareelu place bi gannaaw bi nga xamee ne dafa dem fekk Union Berlin te mboog moom benn ak benn Leipzig nekk ci ñetteelu place bi moom dafa daan Werder de Brême ñaar bal ci euh, dara Stuttgart nag dafa duma duma yu métti Dortmund Euh, juróomu bal ci benn Premier League fële ci Angleterre fukkeelu ayu bés ak ñaar Tottenham moo nekk ci place bu njëkk ba gannaaw bi mu témboo dem fekk Crystal Palace benn ak benn Liverpool nekk ci ñaareelu place bi moom it dafa témboo fële ci fulam benn ak benn la ñu def Leicester nekk ci ñetteelu place bi gannaaw bi mu daanee Brighton ñett bal ci dara Everton dafa daan Chelsea benn bal ci dara Manchester United ak Manchester City dañoo démboo kenn dugalul dara ci sa camp moroom tom dafa duma Sheffield ñett bal ci dara. ca Espagne Liga espagnole fukkeelu ayu bés ak ñett Real Sociedad moo nekk ci place bu njëkk ba dafa témboo ak Eibar benn ak benn. la ñu def Real Madrid daan Atlético ñaar bal ci dara nekk ci ñetteelu place bi Atlético moo nekk ci ñaareelu place bi USK dafa daan Alaves benn bal ci dara FC Barcelone daan Levante benn bal ci dara Valence ak Atlético Bilbao dañoo témboo ñaar ak ñaar. Séville FC dem fekki Getafe duma ko benn bal ci dara ñu jeexale ko ak euh, tableau huitième de finale yi nga xam ne def nañu tirage bi tey jii muy Ligue de champion Lazio nag dina songo ak ki nga xam ne moo yore raaya bi di Bayern de Munich Atlético Madrid di songo ak Chelsea Borussia Mönchengladbach war songo ak Manchester City match bu ñëpp di Leipzig ak Liverpool lay Porto euh, war songo ak Juventus euh, Turin choc bi ñuy xaar tamit FC Barcelone lay doon ak Paris Saint-Germain Séville euh, di songo ak Dortmund Atlanta di songo ak Real Madrid lolum, lañ leen tënkaloon ci xëtëb tàggat